Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. Bonjour euh, à tous. Bonjour, chers euh, professionnels de la presse. Je me présente à vous ce jour, vendredi 17 avril 2020, mais pas le 32 mars, <laughs> en format conférence de presse pour apporter des éléments non de justification mais d'éclairage sur quelques points du programme d'aide alimentaire relativement au processus d'acquisition et d'acheminement des denrées. Je voudrais dans un premier temps saluer la promptitude du chef de l'État qui très tôt a su prendre les mesures appropriées pour faire face aux différents effets sociaux <coughs> économiques négatif lié à la pandémie du coronavirus. Je voudrais aussi réaffirmer le plaisir et la fierté de servir mon pays sous la vision éclairée de M. le Président de la Macky Sall et avec tout le professionnalisme que cela demande. J'informe aussi que tout le reporting lié à ce programme sera réalisé et adressé au moment opportun Acquis de droit, entre autres, le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations des forces Covid-19. L'ampleur de la crise sanitaire du Covid-19 et l'urgence d'une réaction simultanée a créé une situation inédite, voire un nouveau paradigme dans les procédures d'acquisition publique. Dans tous les pays du monde, des mesures exceptionnelles d'allègement des procédures sont envisagées par les États pour parer au plus pressé. Certains États n'hésitent pas à déclarer la situation du coronavirus comme un cas de force majeure pour les marchés publics. Au Sénégal, le président de la République a mis en place un fonds dénommé Force Covid-19 d'un montant de 1000 milliards de francs CFA pour l'exécution du plan de résilience économique et sociale susceptible de soulager les populations en plein dans le confinement. Une des composantes de ce plan est liée à l'assistance alimentaire pour un montant de 69 milliards dont la mise en œuvre est confiée au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Ce dernier est chargé d'acquérir un kit alimentaire composé de 1000 kg de riz, 10 litres d'huile, un pack de 18 briques de savon de 300 g, 10 kg de sucre, 10 kg de pâte alimentaire pour 1 million de ménages représentant environ 8 à 10 millions de Sénégalais. Compte tenu de la situation d'urgence, le président de la République a pris le décret 2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des marchés publics qui soustrait les dépenses relatives à la lutte contre le Covid-19 de l'application des dispositions du décret 2014 12 12 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Quand bien même les conditions d'achat direct sont juridiquement réunies et socialement justifiés par l'urgence à disposer des vivres à distribuer aux populations nécessiteuses, le souci de transparence et de respect des règles d'éthique et de bonne gouvernance nous a conduit à nous référer aux bonnes pratiques connues de tous en matière d'achat public. C'est dans ce cadre que nous avons consulté par écrit les organes de l'État impliqués dans la gestion de la commande publique pour mieux éclairer notre démarche. En termes de transparence et pour favoriser l'égal accès des entreprises aux différents marchés, nos services ont publié deux avis de commande ouvertes en procédure d'urgence dans les livraisons du Soleil, de l'Observateur et de Libération du 1er, 2 et 3 avril 2020. Ainsi, pour les denrées alimentaires, les quantités minimales ci-après mentionnées ont été exigées aux fournisseurs. Riz brisé non parfumé, en sac de 50 kg, 5000 tonnes, quantité minimale. Sucre en conditionnement de 5 ou 10 kg, 500 tonnes. Huile en conditionnement de 5 ou 10 litres, 10 000 litres. Pâte alimentaire en conditionnement de 5 ou 10 kg, 1000 tonnes. Savon en pack de 18 unités de 300 grammes, 10 000 packs. Les candidats intéressés étaient invités à présenter des documents suivants. Au plus tard, le vendredi 3 avril 2020, à 12 heures précises, à la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère du développement communautaire. Une facture proforma des produits proposés une déclaration sur l'honneur indiquant les quantités de stocks disponibles qui doivent être au moins égales aux quantités minimales exigées, un échantillon de chaque produit proposé. Le 3 avril 2020, le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a reçu 62 offres, certains ayant postulé pour les 5 produits, d'autres pour 1, 2, 3 ou 4 produits. Après exploitation des offres, seuls les fournisseurs ayant les capacités quantitatives et qualitatives requises ainsi que la meilleure offre financière ont été retenus. Concernant le riz, ont été retenues les quatre meilleures propositions présentant un prix par tonne en deçà de celui actuellement pratiqué sur le marché. Ainsi, les quatre fournisseurs ont cédé le riz à 275 000 francs la tonne, soit 275 francs le kilogramme. Il s'agit de ce mentionner ci-dessous. Le groupe Bambouk, adresse Kungel quartier Fas pour un montant de 1 milliard millions de francs CFA. Avant-hier soir, adresse 150 152 Lamine Gueye pour un montant de 9 milliards 625 millions de francs CFA. La société Afrique Enco, 150 avenue Lamine pour un montant de 8 milliards 250 millions de francs CFA. Et le quatrième, c'est le comptoir commercial Mandiaï, Ndiaye, 7 rue Sergent Malamine par Escarfé, pour un montant de 8 milliards 250 millions de francs CFA. Dans l'avis d'attribution, il a été fait obligation aux fournisseurs de démarrer les livraisons dans les 48 heures après la notification du bon de commande sous peine de résiliation. La société attributaire du plus, gros volume a reçu en premier son bon de commande et a démarré les livraisons depuis le samedi 11 avril 2020. Toutes les quantités de riz présentement convoyées à Dakar et vers les régions de l'intérieur ont été livrés par cette société. Le reste des produits, notamment le sucre, l'huile, les pâtes et le savon, le même procédé est suivi pour leur attribution. À l'heure où je vous parle, toute la procédure est bouclée. Pour le volet transport, l'avis de commande le concernant indiquait entre autres l'obligation de disposer d'un parc de 50 camions au minimum une analyse de la base des données constituée à travers des réponses consécutives à cet avis a permis d'avoir une idée sur les meilleurs prix pratiqués sur le marché du transport et de dégager un tarif optimum pour chaque région. Ainsi, les régions de Thiès, Louga, Dourbel, Fatigue, Kaolek et Kafrine pour 7500 francs TTC la tonne. Les régions de Saint-Louis et Tambacounda 15 000 francs CFA la tonne. Matam, Kolda, Seyou, Kédougou et Jigenshor pour 18 500 francs la tonne. Ainsi, les transporteurs qui ont accepté ces tarifs sont dans le dispositif d'acheminement depuis le lancement du processus par M. le Président de la République. Toujours dans le cadre du transport, je voudrais informer que le collectif des acteurs du transport routier du Sénégal CATRS a bien voulu mettre à la disposition de l'opération un parc de camions. Et je profite de cette occasion pour saluer cet étalant de solidarité et exprimer mes remerciements les plus sincères. À la date du 14 avril 2020, euh, avant-hier, deux jours avant, 14 véhicules de ce parc ont pu être chargés et convoyés vers la région de Thiès, soit un total de 450 tonnes. Le 16 avril, 42 nouveaux chargements ont été réalisés. Je réaffirme notre disponibilité à accueillir encore de camions, d'autant plus que le besoin tourne autour de 600 camions par jour. Pour terminer, je voudrais vous faire part du tableau récapitulatif qui donne le détail des totales des quantités livrées dans les différents sites à la date d'hier. Kédougou,

Tambacounda, 730 tonnes et Saint-Louis, 280 tonnes, soit un total de 8659,5 tonnes, soit à peu près 9%. Vous vous rendez compte que le taux, en tout cas pour le moment, de volume convoyé est très très timide. Mais nous allons continuer à travailler dans cette dynamique. Et à ce jour, seulement 253 camions ont été mobilisés. Permettez-moi de faire le petit résumé à Wolof. di nuyu ñëpp ñi fi teew di ñew tay ji di janok askan bi ci walum point de presse pour indi ay quelques leeral ci liggéey bi nga xam ni président Macky sàll moo ñu ko dénk nekkuma de justifié wu waaye askan bi dafa laaj mu war a xam mu xam loo xam ni moo am te mu leer ci ay bëtam surtout ci wàllum liggéey bi nga xam ni président mooñ ñu ko sant mooy ci wàllum ndimbal bi nga xam ni état bi daf koy jox askanu Sénégal ci fànn boo xam ni.

liggéey rek liñ ñuy xam topp ci ginnaaw président de la république ci lépp lu ñu sant ñu def ko ak nu mu gënee rafet. di wax ni aussi lii ñu ñu sant comme liggéey bu ñu demee ba jëmmi jamono lépp luy ci rapport ak ci maanaam euh, bilan daañ ko def teg ko ci yoon buñ ko waree teg ñëpp jot ci ñëpp xam ci. Euh, feebar bi nag dafa nekk maanaam feebar boo xam ni àdduna bi yëpp la wër. té gis ngeen dëkk yëpp dañoo jël matuwaay yu nga xam ni pour euh, changer nu ñuy sax jëndee wala ñu defee appel d'offre parce que temps bi mayatu ko kenn kenn mënul toog di xaar ngay def yenn procédures yi loolu nag tax na ba nga xam ni ah état bi jël na matuwaay jëf benn décret boo xam ni lépp lu toll na ci dépense wala ci wàllum dépense te jublu ci affaire Covid 19 bi mu génn ci marché public lolu dafa am président nak dégg ngeen ni dafa def programme qui xamni que le programme économique programme de résilience économique et sociale ah dougal ci copar yu milliards. tolno ci 1000 milliards 1000 milliards yi wax ngeen xam xam nañ ni fu parce que nous bi nek amna na yoon bu mu wara ci 1000 milliards yo nak fait un côté bo xamni dafa djublu ci walum jënd lolu ci ay copar mi ngi ci 69 milliards de francs CFA. Nous dénk que le ministère développement communautaire de l'équité sociale et territoriale territoriale ministre ministère ba nga xam président moom ko denk. ndimbal boobu nag dafa war a jënd ay dund lu ci 100 kilogrammes ceeb par ménage ménage mooy njël borom njël moom la ñu ménage ménage bu nekk mooy borom njël bu nekk am 1000 100 euh, kilogrammes de riz fukki litres dëwlin paquet de savon yoo xam ne def juróom fukk ak juróom-ñett saabu yu 300 grammes fukki kilo sucre ak ay pâte alimentaire manam macaroni ak ñom vermicelle té lool yépp dafa 1 million de ménages war wala 1 million de borom jël ñom ñom ñoko mom suñ ko xaymaa nak borom jël d'habitude dañu xey nañ euh, manam juróom ñet ba fukk doomu adam ci kër ga donc loolu dana dal entre 8 millions ak 10 millions de sénégalais donc comme nu ko waxé président jël na décret bo xamni manam luñu war def ci marché public ñun mën na ko def commande rek mën naa xool neex wala ni am na capacité ñu ko dañuy jënd ci yow lii nga xam ni moom jënd loolu yoon may nañu ko te suñu bëggoon mën ko def taxu ñoo dañ ni dañu ci ni def il faut que nga leeral parce que comme dafa nekk dund yoo xam ni day dem ci askan bi te bu rendre compte dañ ni il faut que ñu def lu ñuy wax les bonnes pratique nan la ñuy mën a gën a leeral askan bi pour que li ñu def bu ëllëgee bu mu am coow loolu moo tax ñun bala ñu tàmbali dañu bind lettre ARMP ni ko kat du ñu bëgg nga dimbali ñu ci yoon bi nga xam ni moom la ñuy jëm ci wàllum jënd bi ak yóbbu bi ci denrées yi nga xam ni moom lañ président sant mu leeral ñu wax ñu ay yoon yu baax bu boobu ba ko defee ba pare ñu euh, maanaam def lu ñuy wax. Euh, euh, avis, commande ouverte en procédure d'urgence. C'est-à-dire que nous avons fait pour Mme Djok Chance, qui nous pu une des choses, qui a pu faire des choses, qui a pu am capacité financière et am stock. Donc, nous avons fait des soleil, publication soleil, et observateur, et libération, le 1er, le 2 et le 3 avril passé ñu ne leen nag ku bëgg soumissionné wala ku ci il faut que nga mën a am ceeb boo ceeb ci kilogrammes waaye ci minimum lu mu gën il faut nga cinq tonnes suukar paquet la de 5 kg wala nga def ko saagu dix kilogrammes bu la ci neex waaye lu mu il faut nga capacité am 500 tonnes 500 tonnes nga garder waxuñu na nga dem di ko conditionnement bi soit juróomi litre la wala fukki litre la il faut nga am 10 000 litres yoo xam ni koy garder pâte alimentaire ñu ni kat dañ koy def ci 5 kg wala 10 kg. waaye il faut nga am en stock 10 000 tonnes non 1000 tonnes autant pour moi ñu ni comme ay paquet la yo xamni day def sabu ak 300 grammes il faut nga paquet bi nga am ci garder au moins 10 000 wala nga ni garder nga 10 000 donc képp ko xamni bëggoon nga bokk bokk ci maanaam ci appel à candidature ba mu defoon ñu ne au plus tard le vendredi 3 avril nga ñëw déposer ko au niveau donc ci ministère bi donc boo ñëw aussi da ngay indaale sa facture proforma parce que conditions yi dañ leen dañ ko yombala lool indil facture proforma bi nga xam ni pro prix nga proposé mi ngi ci facture bi nga def déclaration sur l'honneur wane ni man kat lii la ma laaj lii ñu ma ci stock garde naa lu mu new new garde gardé. am lu lu te dafa lu am solo parce que danaa ci wax touti kérok bañ demee ba tànn ñen ñi dañ leen wo ñu leen kat il faut ñu xam sen stock fu mu parce que gendarmerie ak armée bi daañu ñëw vérifier waye bañ ko ñu donc lolou dafa nek lu am solo ñettel euh, luñ leen aussi dañ leen ngir indi échantillon pour ni échantillon bi donc le 3 avril 2020. ministère jot na ci wàllum juróom benn fukk ak ñaar ñu nga xam ni wax nañ ni bugg nañu ci bugg nañu jaay produit yi ñenn ñi ci juróom yëpp ñenn ñi def nañu benn ñii ñaar ñi ñett ñi ñeent bañ demee ba xool loolu yëpp ñu tànn ñu nga xam ni ñoo ñu wóor enfin yaakaar nañ ne am nañ stock bi parce que def nañ déclaration te mën nañ ko vérifier waaye aussi ak le prix bu gën a yomb ku gën ñu gën yombale parce que dañu bëgg dañu bëgg économiser état bi copper. Nous jelle walum tchébi. Niente nous tchigun yombalé. Nous jellem. Tem bany sen prix nous Madame bo les kilo bu nek 275 francs. Madame par kilo. De ma sorte tonne bi 275 000. Ouais kilo bi 275 francs. Donc niente le nous. Te bany c'était moins de prix sans nous proposer. Maintenant, 300 francs le kilo. Donc, économiser 25 francs par kilogramme. 25 francs par kilogramme, beaucoup de 100 000 tonnes, il faut 2 milliards 500 millions de francs CFA économiser dans l'État. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que groupe Bambouk, nek Kungel, quartier Fast Tchèken, pour 1 milliard 375 millions. Ce qui top, nous avons un groupe, nous avons Avanti Suerle, nek 150, 152 avenue Lamine Gueye, pour 9 millions 625 millions de francs CFA ñetteel bi Afrique Enco Nek 150 avenue Lamine pour 8 milliards 250 millions ñeenteel bi nek comptoir commercial mandiaï Ndiaye Nek 7 rue Sergent Malamine euh, par Escarfé pour 8 milliards 250 millions de francs CFA ñu avons nag yéen ñu bis buñ ñen joxé manam seen bon de commande may leneen ñaari fan pour ngeen commencer livrer su ngeen livré wul ci ñaari fan yi dañ mën nañoo marché bi donc ci loolu société bi nga xam ne moo ci ëpp lu ko jox ci quota ñu jox ko bon de commande am mu commencé livrer depuis le samedi bii passé maanaam le samedi 11 avril ceeb bu ngeen gis yëpp wala saaku ceeb yi ngeen gis yëpp ñuy dugg ci dëkk yi di dem dans les régions euh, maanaam fournisseur boobu moom moo ko livré. yeneen ba denrées yi des moo xam ni euh, euh, suukar sa leeg dëwlin beeg pat yi ak euh, sabu bi même chose la def té fu may wax ak yéen ni par nañ ba boucler manam procédure yépp ci walum transport même avis de commande lañu def waaye tout simplement dañuy won képp ku bëggu manam dugg ci walum transport na nga woné ni am nga au minimum parc bo xamni ni fukk camion mo ci nek nekk waaye terewuñu kenn mu def ay regroupement nga bolé ñaar ñett ñent juróom parce que bëgguñu sort le tool na ci ay 600 camions nga ni kat 600 interlocuteurs donc l'autre tax parc de 50 camions te teerewuñ kenn madame mu regroupé donc ba ñëw nous ñoom ñëpp ba ñu ñëwee ñu ñu mu intéressé offre parce que damay yàgg wax ni du appel pratiquement du appel d'offre mais dañuy ñëw indi seen ay prix ba ñu indee seen ay prix ku ci nekk ñu analyser prix yi ba gis ni prix yi la am ñun ñu fixé suñu ay prix te prix yi ñuy fixé képp kuy transporteur xam nga ni prix yooyu moo gën yomb dans le marché parce que prix yi moo gën a néew prix yu ñuy Thiès Louga djourbel fatik Kaoula, Kaffrine ñu ni 7500 la waaye ci bi fi mëna wax ni Thiès xeyna Thiès xewna reuy na pour éviter transporteur yi nga xamni ñom ñu am contrat di dem Thiès ñuy jël sen camion jox nañ jox ñuko ñoñu lañu la Thiès donc lolu pour leral bo jëlé Saint-Louis Tambacounda 15000 francs CFA la la tonne. Matam Kolda j'ai euh, Kédougou Ziguinchor 18 000 francs CFA la tonne donc transporteur vous nga nous, ni ñu nangu ñu euh, maanaam nous yooyu la les ñëpp fu mu nekk nii ñu ci les ci ñoom Sénégal donc je voudrais aussi informer na les acteurs des transports routiers du Sénégal avons effectivement le 28 euh, mars defoon nañ communiquer ni dañu bëgg jappalé nguur gi ci walum transport ñu réunion ñom je pense le 10 tay ji fu mu nekk nii ñoom tàmbali nañu manam charger manam sen ay camion le 14 avril bi passé ñom chargé nañu lu tollu fukki camion ak ñent yobbu Thiès demb, chargé nañu lu mat euh, manam ñent ñent fuk camion ak ñaar di dem Thiès. di wax nag ni ci lu ñu soxla ci ay camion wax naa ko léegi tollu na ci 600 camions mooy juróom benn téeméeri camion tey fi may waxee yéen ñaar téeméer ak maanaam juróom fukk ak ñetti kamiyon donc ñooy dawagum donc maanaam ku mën eh, eh, mën na indi camion daañu jël eh, daañu leen jël bu neexee yàlla pour termine dama bëgg rek wax ni gis nañu camions yi yóbbu dund yi ci dëkk yi ma defal leen tableau bi Kédougou, Finitolo, Il y a 1585 tonnes. Jigéchor, 1038 tonnes. Matam, 1335 euh, tonnes. autant pour moi. Durbel, 418 tonnes. Dakar, 396 tonnes. Luga, 1130 tonnes. Thiès, 1747 tonnes, 5. Tambacounda, 730 tonnes Saint-Louis 280 tonnes donc si ko avons loolu ça, mi ngi toll ci 8659,5 tonnes Ce ñu yóbboogum néew mais yaakaar nañu fileeg daal ay il faut que nous yokk maanaam mbir parce que dans bëgg fileeg une semaine tout au plus ñu yóbbu ceeb yëpp donc c'est que nous doon wax euh, comme communication